Amis auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangu. Le forum de ce jour parle de santé. Diabète, hypertension, maladie de rein sont quelques exemples de maladies qui longtemps ont été considérées comme étant des maladies du troisième âge, mais qui touchent de nos jours les plus jeunes. Ces maladies, qu'on peut classer dans les maladies non transmissibles, représentent un défi sanitaire pour les pays d'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, l'enquête de prévalence des facteurs de risque des maladies non transmissibles à Niamey au Niger en 2007 a révélé que 21,2% de la population avait une pression artérielle élevée et 4,3% étaient diabétiques. Tout comme les autres pays d'Afrique subsaharienne, le Niger n'est pas épargné par le phénomène des MNT. Diabète, hypertension, maladie de rein, comment expliquer les cas de maladies chez les jeunes et comment y faire face C'est la question essentielle que nous nous posons dans le forum de ce soir. Et pour avoir des éléments de réponse, quoi de plus normal d'avoir des gens qui travaillent nuit et jour pour trouver des solutions à ces genres de questions pour inviter, nous avions la coordinatrice de l'Alliance contre les maladies non transmissibles, Madame Malika Diermakoy. Également, nous avons Adoko Pacha et Sodong Ismaël, délégué représentant Rotaha du district Niger, étudiant en 7e année de médecine. À la présentation, je suis Olivier Assobavi. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Commençons d'abord avec le diabète. Alors, parlez-nous de cette maladie, comment elle se présente. Docteur Ismaël, je commence par vous. Ok, merci beaucoup Olivier. Donc euh, rebonjour euh, à tous. Donc euh, le diabète, c'est une maladie, comme on l'a dit, c'est une maladie liée à une augmentation du taux de glucose. Nous on parle de hyperglycémie, mm. donc supérieure à 7 millimoles ou 1,26 g. Donc pour faire le diagnostic de l'hypertension et du diabète, il faut faire au moins à deux reprises une glycémie ce qui nous permet de savoir que le patient est hyperglycémique. Ensuite, il y a des signes qui, qui s'associent, tels que la polyurie, la polydipsie, qu'on appelle généralement le syndrome cardinal, associé à un amaigrissement, et aussi d'autres signes qui viennent s'associer lorsque le diabète est avancé, que nous allons, bien, nous allons parler beaucoup plus dans les complications. Mmh. Voilà. Donc, euh, on a besoin d'une petite précision parce que, à ce qu'il paraît dans les recherches quand je faisais, que je faisais en train de, quand j'étais en train de, préparer ce forum, il y a des types de diabète qui sont héréditaires. Oui, nous avons, on parle souvent généralement de deux types de diabète. Comme nous parlons de la jeunesse, généralement le diabète euh, type 1 est beaucoup plus pour les jeunes le diabète de type 2, qui est beaucoup plus pour les, pour les sujets âgés. Et, mais aussi, nous avons d'autres types de diabète, tels que le diabète euh, africain ou qui n'est pas vraiment typique. Il y a le diabète gestationnel qui se retrouve chez la femme enceinte. Donc euh, nous avons des diabètes liés à l'alimentation et certains facteurs environnementaux. Donc voilà. Alors, euh, Madame Malika, je me tourne vers vous. On parle de diabète, on parle d'hypertension, on parle de maladies de rein. si ces maladies ont quelque chose de commun, c'est des maladies non transmissibles, à l'exception du diabète qui a des spécificités, comme vient de l'expliquer docteur, euh, enfin, comme vient de l'expliquer n'est pas encore docteur, mais bon, très bientôt docteur. Alors, vous aujourd'hui, quand vous, vous travaillez sur ces genres de sujets, est-ce que c'est quelque chose qui touche les jeunes d'abord Alors bonjour, merci pour l'invitation. Ces, maladies non transmissibles, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'elles ont des facteurs de risque communs. Elles ont les mêmes racines. Quand on parle de diabète, quand on parle d'hypertension, quand on parle de maladies cardiaques, mm. on retrouve toujours les mêmes bases. Le tabac, l'alcool, l'inactivité physique ou le manque d'activité physique et la mauvaise alimentation. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a constaté que ces maladies touchent de plus en plus les jeunes, mm. que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que malheureusement, nos jeunes ont tendance à copier, on va dire, des modes de vie ou des comportements assez excessifs qu'on peut observer dans certains films sur les réseaux sociaux qu'ils ont tendance à imiter et qui, sans le savoir, vont les condamner pour les années à venir. Donc, euh, conclusion, aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont touchés par cette, ces maladies. Bon, on ne peut pas dire sans toucher, hmm. mais la crainte, c'est que dans les années à venir, beaucoup de jeunes pourront être touchés. Ce qu'il faut aussi savoir quand on parle de maladies non transmissibles, ce que ce sont des maladies qui mettent des années avant de se avant de, se déclencher, hmm. ou de s'exprimer, on va dire. Hmm. Aujourd'hui, moi j'ai 30 ans si euh, depuis mes 17 ans, j'ai pris ma première cigarette, je commence à fumer et que de temps en temps je bois un verre et que de temps en temps je mange une glace, j'arrête de faire du sport, sans doute à mes 45 ans, je risque de développer soit de l'hypertension, soit un diabète. À titre d'exemple, selon l'OMS, d'ici à 2045, 700 millions de personnes à travers le monde vivront avec le diabète. Donc on peut vraiment parler ici d'une bombe à retardement. Claire. Alors, Ismaël, je me retourne vers toi. Quand on prend jeune comme adulte et une maladie comme le diabète, quelle est la catégorie euh, qu'on peut traiter de vulnérable Donc, euh, pour le diabète, euh, il n'y a pas une catégorie vulnérable parce que le diabète, c'est une maladie que, comme elle l'a dit, c'est une maladie qu'on ne découvre pas tôt parce que nous ne sommes pas beaucoup plus. nous sommes dans un, dans un monde où les gens c'est en retard on diagnostique leur diabète. Puisque en Europe, où certains font ce qu'on appelle le bilan annuel, on peut, on peut le diagnostiquer très facilement. Mais chez nous, ici, avec euh, les difficultés qu'on a, on ne peut pas dire qu'il y a une population cible. Puisque c'est des, des, maladies qui, se développent à tout moment. Mm. Donc, comme chez, la, chez le jeune, comme chez l'adulte. Mais aujourd'hui, c'est le type 2 qui est beaucoup plus fréquent parce qu'on le découvre beaucoup plus tardivement chez les personnes âgées. Mm. Donc euh, voilà. Alors si on comprend déjà à, travers ces premières explications, tout ce qu'on fait dans l'âge de, qu'on peut appeler l'âge de la jeunesse euh, nous rattrapera quoi qu'il en soit, surtout sur le plan sanitaire. Ça c'est sûr. Moi j'ai l'habitude de dire que tout se paye. Mm. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on fait, on finit par payer à nos vieux jours. Donc euh, voilà quoi. C'est, ce sont, c'est un ensemble de facteurs de risque qui viendront permettre, qui vont favoriser, qui, qui rendent le terrain favorable à telle maladie ou telle maladie. Mm. Et comme elle l'a dit, c'est des maladies qui sont vraiment liées mm. et on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Alors auparavant, ces maladies ne touchaient pas les jeunes, mais de nos jours, il est fréquent de voir des jeunes euh, de moins de 30 ans, de moins de 50 ans souffrir de ces, ces, types de maladies. Comment est-ce qu'on explique ce fait nouveau Certes, Madame Malika a donné des, des informations, ben, est-ce que vous avez des choses à, donner pour compléter je pense que tout s'explique par d'abord le mode, le mode d'alimentation, parce qu'on mange plus sain. Avant, nous mangeons sain, nous mangeons naturel, mais aujourd'hui, nous mangeons beaucoup plus euh, OGM. Euh, nous n'avons pas un mode de vie sain. Nous vivons dans un environnement pollué, dans un environnement où la, la cigarette, oui, on parle de la cigarette, il ne s'agit pas de fumer seulement, mais le fait de côtoyer des gens qui fument, on devient tabagique mm. passif. Et en étant tabagique passif, on fume indirectement. Donc, euh, ce sont des facteurs qui permettent que, qui font que les jeunes, aujourd'hui, sont, sont dans, ce, dans cette situation. Mm. Et l'inactivité, le sport et autres, généralement, chez les jeunes, ça va. Mais comme on l'a dit tout de suite, il y a le diabète type 1 qui est transmis et qui, qui n'est pas trans et qui n'est pas transmissible, mais qui est lié généralement à une insuffisance euh, du, de sécrétion de l'insuline, qui est beaucoup plus liée à un défaut au niveau du foie. Mm. Donc là, comme on le dit, les jeunes en souffrent parce que c'est déjà là, c'est déjà présent, on, ne peut pas, on ne peut rien faire. Mm. Ou carrément, on a des anticorps, notre organisme qui est en train de détruire les cellules qui produisent de l'insuline. Donc, c'est un peu ça qui fait que le diabète type 1 chez le jeune, on en rencontre beaucoup plus aujourd'hui parce que nous avons eu, nous, comme on dit, la médecine évolue et les gens s'en rendent compte. Sinon, avant, tu es là, par exemple, chez le jeune, quand vous voyez le diabète type 1, il se manifeste comment Vous allez voir le jeune, il est tout maigrichon, il ne grossit pas, malgré qu'il mange, il ne grossit pas. Mais souvent, c'est inquiétant. Certains parents décident d'aller consulter. C'est là qu'on se rend compte que mais le petit, il est diabétique depuis peut-être ses cinq ans, mais personne n'était au courant. Donc voilà un peu. Merci pour ces précisions qui permettront bien évidemment à ceux et celles qui nous écoutent ce soir euh, de savoir euh, en tout cas comment est-ce qu'il faut se, se, comporter quand il y a ces genres de signes. Quand vous parliez de tabagisme passif, madame avait fait signe qu'elle voulait ajouter quelque chose à vous, madame. Vraiment, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler parce que ici c'est vraiment un cri du cœur que je vais lancer. Mmh. On parle beaucoup de cigarettes. Mmh. Pour moi, la cigarette c'est un peu... Euh, le, le coupable idéal que tout le monde connaît, que tout le monde pointe du doigt, mais il y a ici un coupable qui passe inaperçu et que tout le monde trouve cool, c'est la chicha. C'est tendance, j'allais dire. Oui, on ne mm. voit pas beaucoup de femmes dans les rues, de jeunes filles dans les rues qui fument la cigarette parce que tout de suite, la personne sera euh, indexée pour dire « oh là là, c'est la fille qui fume la cigarette et tout ». Par contre, la chicha, ça passe très bien. Ça passe très bien, c'est cool, c'est chic, les gens essayent de faire des ronds avec la fumée, il y a des concours sur TikTok et tous les réseaux sociaux. Et c'est ça le problème, parce que quand vous prenez une bouffée de chicha, c'est comme si vous avez fumé instantanément cette cigarette. C'est une catastrophe. Mm. Et docteur disait tout à l'heure qu'il faut faire attention au tabagisme passif. Oui, parce qu'il est encore plus dangereux que le vrai tabagisme. Le fumeur qui fume sa cigarette, il va inhaler la fumée et la ressortir. Mais vous qui êtes à côté de lui, vous la respirez continuellement. Donc c'est vraiment à ça que moi je veux, attirer l'attention des jeunes. La chicha, c'est pas cool. Et le studio Kalangu, c'est 52 Radio sur toute l'étendue du territoire national. J'espère que votre message a, est, passé. Alors, entre la ville et la campagne, par exemple, est-ce qu'il y a un milieu qui est le plus touché euh, par ces, ces, genres de maladies Vous travaillez sur l'équité au niveau des soins. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une histoire d'équité aussi au niveau des maladies, de la contagion on va parler d'équité en termes, moi j'allais dire déjà de prévention, parce que mm. quand on parle de maladies non transmissibles, vraiment moi j'ai l'habitude de dire que vous prenez une peine à perpétuité. Quand vous êtes diabétique, ce sont des traitements à vie. Vous êtes hypertendu, ce sont des traitements à vie. Donc le premier mot, c'est la prévention. Évitez de tomber malade et vous aurez une vie saine pour tout le reste de votre vie, une meilleure qualité de vie. Bien sûr qu'il y a une rupture d'équité. Quand vous, venez, vous vivez au fin fond de DIFA, vous n'avez pas toutes les informations. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les jeunes aspirent à vivre comme en Europe, comme les modèles qu'on nous vend comme étant des modèles excellents. Je dis toujours à mes amis que Aujourd'hui, Olivier, c'est bientôt la Saint-Valentin. Exactement, 14 février. voilà, vous allez inviter votre copine Bien sûr, c'est plus cool d'aller manger poulet frites avec un mhm. petit coca, glace, mhm. que de l'inviter pour dire Ok, viens, on va manger un bon doukounou. Ah ou bien, <laughs> voilà. ou bien un bon dambou. <laughs> voilà, ou bien un bon dambou. Pourtant, ce sont des plats qui sont excellents. Ce sont des plats qui sont euh, culturellement, enfin, de, notre milieu. Mm. Or, maintenant, ce qu'on voit, c'est que tout le monde veut manger hamburger, poulet frites, pizza. C'est un signe extérieur de richesse, de réussite alors que c'est quelque chose qui ne nous convient pas sur le long terme du point de vue de la santé. Exactement. Docteur, avez-vous euh, envie d'ajouter quelque chose Vous faites beaucoup de dépistages, beaucoup de campagnes, vous rencontrez des gens, qu'ils soient dans le milieu urbain ou bien dans le milieu rural. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, une disparité, quand, soit quand on vient du milieu rural ou bien du milieu urbain La disparité, elle est nette parce que quand on prend le vieux qui est au village, il mange ça il mange, il se nourrit à base de ses céréales, à base de ses, de ses poulets qu'il a produits localement, et puis il est tranquille. Mais ça, pour le diabète, je ne dirais pas parce qu'il y a, y a ce défaut, qu'on peut, le diagnostic qui est difficile parce qu'on n'a pas, le, comme dit, l'accès aux soins de santé et tout. Donc. Mais pour l'hypertension, c'est net et c'est visible. C'est rare de voir euh, un vieux du village en train de faire une hypertension très tôt. Généralement, c'est, comme elle l'a dit, c'est l'alimentation. L'alimentation, il faut manger sain. Il mm. faut essayer de, certes, c'est pas facile dans notre contexte, mais moi, je pense que si on revient à la base, qu'on laisse ces mauvaises habitudes de dire bon moi je pars au resto on, on part manger beaucoup salé on mange on ne sait même pas ce qu'on a mis dans le plat et tout je pense qu'on ira beaucoup plus. Comme on est en train de parler de la nourriture, on reste là-dessus. Selon vous, spécialiste de la santé, ce que nous consommons a un impact direct sur nous. Et dans ce sens, beaucoup de personnes spéculent sur une question de consommation d'arômes qui serait à la base des maladies. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez nous éclairer là-dessus Les arômes, c'est purement, ça a été produit. Comment est-ce que les arômes sont nés C'est lors de la guerre mondiale où, en ce moment, on a c'est une soupe faite à base, c'est ce n'est que de, du sel et de petits ingrédients qu'on ajoute mm. pour essayer de donner du goût au repas. Mais ces arômes ne sont pas vraiment bien bénéfiques pour la santé. Ils ne sont pas bénéfiques et quand on voit ceux, généralement, quand vous voyez tous ceux qui s'alimentent avec beaucoup d'arômes, vous verrez que au bout de 10-15 ans, ils développent certaines maladies dont ils ne comprennent même pas. Et puis voilà quoi, c'est pour ça souvent tu vas voir le jeune marié, il est tout content, sa femme le bombarde avec euh, les arômes, il dit ah ma femme elle sait cuisiner. Non, c'est pas ça la cuisine. La cuisine c'est encore euh, c'est encore plus délicat. Quand tu es amoureux de, la, de la nourriture, tu sais ce que tu manges, tu, fais plus attention. Et quand on te met quelque chose, tu diras, non, ça, c'est pas réglo. Hmm. S'il te plaît, va un peu plus doucement, quoi. Voilà un peu. Donc, euh, Madame, ben, la cuisine, c'est vous. Hein ben, pour moi, franchement, les arômes, c'est une question de paresse. Parce que c'est comme vous l'avez dit, ça a vu le jour en, pendant la période de guerre, quand on n'a pas assez d'aliments, on n'a pas. Donc, l'arôme, vous mettez ça dans de l'eau, l'eau devient délicieuse. Mm-hmm. <laughs> Donc, vraiment, j'appelle là tout le monde à faire un effort. On est en période d'hivernage, le persil ne coûte pas cher, le céleri ne coûte pas cher, l'arôme, vous pouvez le faire vous-même. Mm. Vous prenez du sel, vous prenez vos petites épices, vous faites votre mélange, ça sera tellement délicieux. Et tous les grands chefs étoilés de cette planète-là ne travaillent pas avec de l'arôme, ils travaillent avec du sel. Et je vous promets que si vous faites un effort au niveau de l'assaisonnement et que vous travaillez avec des produits sains, vos plats auront infiniment un meilleur goût que si vous mettez de l'arôme dedans et vous préserverez votre santé. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans le forum du studio Kalangu, nous parlons de la santé pas de cuisine. <laughs> Nous parlons de la santé avec des jeunes qui seraient de plus en plus malades de diabète, tension artérielle, problèmes de rein, pour ne citer que cela. Le débat se poursuit dans les locaux du studio Kalangu et nous sommes avec euh, Adoko Pacha et Sodon Ismaël, délégué représentants du district. Euh, délégué représentant Rotaract du district Niger, étudiant en 7 année de médecine, et Madame Malika Diarmakoy, coordinatrice de l'Alliance contre les maladies non transmissibles. Nous allons poursuivre ce débat avec une question qui revient souvent dans les discussions et qu'on ignore par ailleurs. Alors, une maladie comme le diabète peut-elle occasionner d'autres maladies, docteur Oui, le diabète, euh, moi je dis souvent c'est une sale maladie Mm. Et ce n'est pas une maladie de pauvre. Parce que la prise en charge du diabète, c'est à vie. C'est à vie, mais avec des conséquences parce que ce n'est pas une maladie qu'on guérit. Et avec le temps, vous allez développer ce qu'on appelle des complications. Et ces complications, elles sont visuelles, nous nous parlons de rétinopathie, elles sont rénales, où nous parlons de néphropathie, elles sont cardiaque, où nous allons avoir euh, certains problèmes cardiaques qui vont advenir, tels que, comment je dirais, des... C'est un peu compliqué. Bon, un peu compliqué. <laughs> les coronaropathies, mm-hmm. bon, beaucoup de choses. Mm-hmm. C'est aussi des complications hépatiques et tout, parce que tout vient se, rejoindre. Mm. Et souvent, nous, dans notre monde aussi, avec euh, le défaut de soins et autres, nous avons les complications infectieuses qui viennent s'ajouter avec les pieds diabétiques, qui tuent beaucoup parce que la prise en charge d'un seul pied diabétique, c'est des mois de traitement. Seulement l'antibiothérapie te revient peut-être à 5000 le jour, sans oublier l'insuline, sans oublier l'hospitalisation, sans oublier les va-et-vient des parents. Mais c'est ça, c'est colossal. Mm. Donc, euh, donc aujourd'hui, on est d'accord que bah, le diabète, c'est une maladie qui ouvre la porte à d'autres maladies. Ça, c'est clair. Alors, vous, madame, justement, vous voulez ajouter quelque chose Allez-y. Je veux rebondir sur un terme que j'ai entendu ici, c'est euh, le diabète n'est pas une maladie de pauvre. Hmm. Oui, le diabète n'est pas une maladie de pauvre dans son traitement. Malheureusement, dans sa prévalence, j'allais dire, c'est une maladie qui touche malheureusement les personnes les plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, les personnes les plus riches, les plus éduquées de notre pays savent ce que c'est le diabète, ils savent reconnaître les facteurs de risque et ils font attention à leur alimentation. Un des problèmes du diabète, c'est pas le sucre, comme on a tendance à le penser, mm. c'est vraiment le fait d'avoir une alimentation monotone. Manger tous les jours du pain, manger tous les jours euh, du riz, vous voyez, tous les jours dans certains foyers qui n'ont pas forcément les moyens. C'est du riz, du riz, du riz, du riz. Or, il faut avoir une alimentation équilibrée, une alimentation variée. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre et tout le monde n'a pas l'information. Donc c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui le diabète touche malheureusement les personnes les plus pauvres, même si dans la croyance locale on a l'impression que, ok, non, mais s'il il est diabétique, c'est qu'il est riche, il peut manger des choses que les autres ne mangent pas, etc. Non, vraiment faites attention à ayez une alimentation diversifiée et vraiment assez riche, mangez de tout. Des fruits, des légumes. Malheureusement, on sait que ça coûte un peu cher, mais il faut essayer de faire un effort. Il faut essayer de faire un effort, mais est-ce que c'est quelque chose dont les populations se rendent compte Est-ce que aujourd'hui les gens savent ce que vous venez de dire. Vous avez l'impression que les gens se rendent compte de, du, fait que le, le, diabète, c'est une maladie de pauvres ben écoutez, non, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens gèrent l'urgence. Quand vous êtes un père, que vous avez sept enfants, vous avez une femme ou deux même à nourrir, pardon, avec on ne sait combien d'enfants, ce que vous voulez, c'est juste les nourrir qu'ils aient le ventre plein. Et bien sûr, c'est plus facile de remplir l'estomac de quelqu'un avec du riz avec des légumes ou bien avec de la salade. Hmm. Quand vous prenez la salade, est-ce que 500 francs de salade aujourd'hui peut suffire pour nourrir toute une famille En période hivernale, oui, mais un peu plus chaud là. Voilà, ça devient compliqué, non clair. Donc, hmm. et puis l'information hmm. n'est pas assez relayée. Donc, merci vraiment pour le travail que vous faites. C'est vraiment un travail d'intérêt général et un travail qui est infiniment précieux, qui n'a pas de prix. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer de faire tous les jours. Répéter la même chose, c'est éducatif et c'est important. Bah, écoutez, nous, on ne pose que des questions, c'est vous qui répondez. Merci à vous. <laughs> Alors, euh, Ismaël, pourriez-vous nous expliquer si ces complications peuvent être constatées chez un patient jeune ou c'est simplement chez les patients âgés C'est-à-dire, euh, un patient jeune qui est diabétique peut connaître des complications ou bien c'est seulement quand on est personne âgée que cela devient inquiétant On peut généralement, comment est-ce qu'on découvre le diabète C'est quand c'est lors d'une complication. Hmm que le patient vient peut-être avec une de ses complications, peut-être une complication aiguë, comme on le dit souvent, avec peut-être une acidose, une cétose, puisque le diabète des jeunes, sa particularité, c'est qu'elle se complique généralement par une cétose. Donc, ce qui fait que souvent, au cours d'une cétose, on voit le patient vient avec euh, ses troubles digestifs, ses vertiges, vomissements et autres. Donc, ce qui fait qu'on on pense euh, peut-être euh, euh, au diabète. Et voilà, quand on fait la, glycémie, on voit que il a une, hyperglycémie, hyperglycémie. C'est là qu'on se rend compte que mais ce petit, il est diabétique. Donc, les complications peuvent survenir à tout moment. Tout dépend de quand est-ce ton diabète a commencé et de son évolution. Puisque plus on évolue, puisque les complications surviennent en fonction de l'âge du diabète. Merci. L'hypertension artérielle, quand on est jeune, ce n'est pas une maladie à laquelle on peut forcément penser. Eh bien, Pourtant, c'est une maladie qui touche des jeunes ces dernières années. Comment, d'abord, comment peut-on savoir qu'on est sous menace de cette maladie Bon, pour savoir qu'on est sous menace euh, de cette maladie, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est génétique, généralement. L'hypertension, c'est génétique. Quand qui dit génétique veut dire euh, héréditaire Héréditaire. C'est héréditaire parce que même le diabète, il est héréditaire dans certains. Par exemple, le diabète type 2, il est héréditaire parce que si dans la famille il y a des diabétiques type 2, il y a beaucoup plus de chances que quelqu'un fasse le diabète. Mm. Mais quand on vient à l'hypertension, quand on a des parents hypertendus, il faut faire très attention à ce qu'on mange. Il faut faire très attention parce que les facteurs sont... On peut développer euh, l'hypertension en n'importe quel moment. Et l'alimentation, on mange beaucoup salé, comme on l'a dit, les arômes, ce n'est que du sel, on se met à manger beaucoup d'arômes, beaucoup de sel. Tu vois un petit plat de, de, riz, on te met une arôme entière dessus et puis voilà quoi. Mm. Tu te sens à l'aise, tu dis bon, j'ai mangé. Et les activités sportives. Je pense que, comme on le dit aujourd'hui, les jeunes moi, je me rappelle encore quand j'étais tout petit, le papa disait, viens, on prend la roue, on va au champ. Ça me dérangeait, mais j'ai compris que finalement, je faisais mon sport en même temps. Et ça me, ça me permettait d'être toujours en forme. Et ça, c'est, cette particularité de, bon, quand on prend notre contexte, le Niger, vous verrez des jeunes qui sortent depuis le matin assis au même endroit depuis le matin, il ne fait rien de, de, sa, journée. C'est bien normal qu'on développe très facilement des maladies telles que l'hypertension artérielle et comment si c'est vraiment déplorable de voir un tout jeune avec une hypertension artérielle parce que les complications on les aura très tôt et ça devient une charge pour la famille, une charge pour des enfants, s'il a des enfants et tout ça. Donc voilà quoi. Les symptômes, on peut revenir là-dessus. en attendant, je ne sais pas si madame a envie d'ajouter quelque chose. Euh, moi, j'ai quelque chose à ajouter. C'est hmm. vraiment quand on parle de pourquoi est-ce que les jeunes sont de plus en plus touchés par l'hypertension. Hmm. Moi, j'ajouterais déjà le manque de sommeil avec les téléphones portables, la télé. Et c'est quelque chose qu'on qu'on voit, qu'on voit très, qu'on voit pas venir, hein. le manque de sommeil, comme vous le dites aujourd'hui. Non, on le voit pas venir. Hmm. Mais il y a des téléphones qui permettent d'avoir euh, un suivi du temps que vous passez. Et malheureusement, là, je lance un appel encore une fois à tous nos opérateurs télécoms. Hmm. Vous rendez pas service aux jeunes en rendant les tarifs d'accès à Internet enfin quasiment gratuit la nuit. Parce qu'on vous dit, OK, à partir de minuit, c'est moins cher. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils font des forfaits nuit. Merci. Donc de minuit à 5 heures du matin, on va être câblé sur son téléphone. On est en manque de sommeil. Et généralement, la nuit, de minuit à 5 heures du matin, je suis là, je suis seule, j'ai mangé à 20 heures. Forcément qu'à minuit, je vais avoir un peu faim. Donc, ok, je vais accompagner un petit plat, quelque chose rapide, un hamburger, par exemple, pourquoi pas. Mhm. Et là, on a déjà le cercle vicieux qui se met en route, sans parler du stress malheureusement, on a tendance à penser qu'au Niger, on est un peu chill, on ne stresse pas, etc. Mais il faut le dire, les gens sont de plus en plus stressés. Et on a encore là une rupture entre la ville et les gens qui vivent en milieu rural, en ville, nous sommes stressés. Stressés d'arriver au boulot en retard, stressés parce que euh, j'ai pas mon uniforme pour le mariage de ma copine qui arrive ce week-end, stressés parce que, ah, ma copine m'a demandé de l'argent pour payer ses mèches, j'ai pas pu lui donner. Donc, on est vraiment stressés. on mange beaucoup de sel, on ne dort pas assez, on a un rythme de vie de plus en plus infernal. Voilà les bases qui sont posées pour euh, l'hypertension. Vous êtes d'accord, docteur Ouais, je suis d'accord avec elle. Manque de sommeil, problème de stress, c'est déplorable, mais c'est ce qu'on constate. Normalement, un jeune doit avoir un cycle de sommeil. Les 6 heures à 8 heures de sommeil, si, La nuit, on, on épuise l'organisme. On consomme au moins de le double de ce qu'on doit consommer la journée quand on est réveillé. Or, en journée, tu es plus apte, tu es plus L'organisme est préparé à travailler, mais là, la nuit, tu le forces à travailler, il s'épuise et tu verras très tôt que tu vas développer certains facteurs de risque parce que le cœur, il doit travailler beaucoup plus. Justement, parlant de facteurs de risque, c'est quoi les symptômes de l'hypertension Parce que quand on est jeune, il y a quelque chose qu'on banalise aussi, c'est les, petites malaises, on les banalise parce que, bon, de toutes les façons, c'est pas souvent compliqué. Du coup, on les banalise. C'est quoi les symptômes de l'hypertension Donc, les symptômes, généralement, c'est des céphalées à répétition. C'est-à-dire des mots de tête Des mots de tête, des maux de tête. Tantôt c'est des vertiges, tantôt vous avez aussi des céphalées vertiges acouphènes. du genre vous entendez des bruits un peu partout, du genre si vous, vous avez des sensations de, de comme si vous avez des, des, des, bruits qui vous dérangeaient, mm. mais aussi il y a souvent certains signes qui sont beaucoup plus développés quand on a des complications que bon, je, ne dirais pas signe indirectement, hein, hmm. mais hmm. beaucoup plus euh, complication. complications. Que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle ou les maladies de rein, est-ce que c'est des maladies dont le risque est élevé quand on est un homme ou une femme Madame j'ai envie d'avoir votre avis. <laughs> Merci. Alors oui, là encore, on a une disparité dans le genre. Hmm. Les femmes, malheureusement, font moins d'activités physiques que les hommes. Et dans nos pays, il faut se dire la vérité, non à chaque fois, là, on a lancé, c'était la tendance des apoutchou. Hmm. Tout le monde dit non, apoutchou, c'est bien, apoutchou, c'est bien. Oui, c'est bien si vous vous sentez bien dans votre corps, mais attention à l'excès de poids. Donc souvent, chez nous, avoir des formes, avoir des rondeurs, c'est assez bien euh, reconnu dans la société, ça vous donne de la valeur. Mais attention à l'excès de poids, au manque d'activité physique. C'est vraiment ça qui fait que les femmes, malheureusement, sont souvent plus exposées que les hommes. Et aussi, il faut le dire, ce sont les hommes qui ont la capacité financière. Donc, ce sont les hommes aussi, en un certain sens, qui vont décider de ce qu'on mange dans le ménage, etc., etc. Les femmes, malheureusement, sont un peu laissées à la traîne et sont malheureusement plus exposées à toutes ces maladies-là. Les femmes sont malheureusement euh, exposées, vous confirmez, docteur Bon, elles sont exposées, mm. mais généralement, on trouve que c'est les hommes qui font plus d'hypertension. Et quand vous prenez les facteurs de risque, vous verrez qu'il y a le sexe, et c'est le sexe masculin qui souffre beaucoup plus de l'hypertension. Les hommes sont beaucoup stressés. Certes, les femmes, ça arrive qu'elles soient stressées et tout, mais c'est gérable quand elle est à la maison, entourée de la famille et tout, ça va un peu plus. Mais les hommes, beaucoup plus, ils sont soucieux, ils sont soucieux de ce que la famille doit manger, tout et tout. Donc, ça fait que, et ça fait qu'on se retrouve très tôt avec euh, des problèmes d'hypertension, ou bien tout le temps, il faut courir de gauche à droite, trouver à manger. Il y a tellement de facteurs qui font que l'homme est beaucoup plus sujet à faire euh, l'hypertension artérielle. Parfait quand on parle d'hypertension, il y a aussi, euh, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est un mythe populaire ou bien, euh, en tout cas dans la conscience collective, euh, la prise du café. Café, hypertension. Il y a un rapport Oui, il y a un rapport. C'est quoi le rapport Le café, c'est quoi C'est un stimulant. Hmm. C'est un stimulant, il, stimule nos neurones à beaucoup plus travailler, à être plus apte. Et quand on dit qu'il parle de neurones, il faut que le cœur travaille. Le cœur, lui, c'est à lui d'envoyer le sang au cerveau. Le cerveau, vous savez que c'est c'est le siège de prédilection de toutes les informations et autres. Donc le cœur, et il consomme beaucoup de glucose. Mm. Et il faut que le cœur lui envoie le sang tout le temps pour qu'il puisse puiser ses énergies et continuer son travail. Et comme vous allez remarquer, généralement ceux qui prennent eh, du café, ils sont tout le temps nerveux. Et cette nervosité agit sur le système nerveux, mais ça vient aussi agir sur le cœur. Mm. Donc ce qui fait que vous verrez que y a un lien, le lien est là. Le lien est là. Alors, puisqu'on parle de maladie, il y a euh, il un système de cause à effet. Qui tombe malade dépense. Et aujourd'hui, euh, le pouvoir d'achat, bah, c'est une grosse question. Le prix de la baguette de, pain vient d'augmenter à 250. Tout le monde crie, il n'y a pas d'argent. Et pourtant, pour se soigner, il, se, il, nous faut de l'argent. Madame, comment est-ce que vous, vous travaillez sur euh, ces ans de, de problèmes Des malades qui doivent se soigner et qui n'ont pas de l'argent. Des malades qui doivent se soigner et qui n'ont pas l'argent. Heureusement, au Niger, il y a certaines catégories de personnes qui sont prises en charge par l'État. Mm. Et ça, vraiment, on remercie beaucoup l'État qui fait de son mieux mm. pour venir en aide Justement, aux personnes. dans ces catégories, est-ce qu'il y a les jeunes On parle surtout des enfants mm. de moins de 5 ans qui sont pris en charge dans certaines maladies qui sont lourdes pour le traitement, notamment le cancer. Maintenant, pour les autres maladies, malheureusement ou heureusement, on est encore dans une société où on va dire, la euh, solidarité prime beaucoup. Donc les gens comptent beaucoup sur les membres de la famille. À titre euh, d'exemple, on va dire l'Alliance contre les maladies non transmissibles. l'Alliance que vous dirigez. Exactement, <laughs> a lancé le 4 février dernier à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer une campagne qui s'appelle 24 jours pour une vie qui vise en fait à mobiliser les gens, à faire preuve de solidarité et vraiment à donner ce qu'ils peuvent. Si par exemple vous, vous pouvez donner 200 francs, 100 francs, 1000 francs, 2000, pourquoi pas 5000, qu'on mettra à la disposition de malades pour les aider à faire face aux coûts. C'est vraiment génial. Alors Ismaël, est-ce que la question des moyens aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui pèse sur la santé des gens en général, surtout des jeunes Je pense que ça c'est c'est très, c'est déplorable, mais c'est, c'est, c'est ce qu'on vit au quotidien. On n'a pas le choix, et puis voilà. Beaucoup de patients viennent, ils te, tu leur demandes pourquoi est-ce que, qu'est-ce qui ne va pas, été dit, bon, moi j'ai arrêté mon traitement depuis un moment parce que j'ai pas les moyens. Ou les parents n'ont pas les moyens. Quand on prend le jeu, parce que généralement aujourd'hui, la population est extrêmement jeune, et très peu ont la chance d'avoir un, euh, un, travail et de pouvoir se prendre en charge et tout. Donc euh, la famille, déjà le papa a peut-être 70 ans, il ne peut même pas d'abord assurer le, les plats de la famille, à plus forte raison assurer un traitement à vie, parce que quand on prend le diabète, l'hypertension, c'est des traitements à vie, et le pouvoir d'achat ne permet pas aux jeunes de se prendre en charge pour ces genres de maladies. Ce qui fait que on assiste beaucoup plus à l'évolution très rapide vers les complications et très malheureusement au décès beaucoup plus souvent de, des patients à un âge très jeune. Le lien, il est là. La pauvreté vraiment aujourd'hui est un handicap pour la prise en charge de ces maladies. Alors, madame, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé et du diabète et de l'hypertension, mais très peu de, maladies de reins. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui est en face de devenir des, des, problèmes de, de société C'est-à-dire que vous, avez-vous déjà rencontré des malades jeunes, peut-être, qui sont touchés par des maladies de reins ce sont des maladies, comme on l'a dit, qui sont de plus en plus fréquentes. Hein. Et comme on le dit, les maladies non transmissibles s'enchaînent souvent. Vous allez voir des malades qui vont venir, par exemple, au début avec de l'hypertension et cette hypertension-là va dégénérer pour donner d'autres maladies, comme des maladies de reins qui va toucher les reins et malheureusement, oui, dégénérer. Je veux revenir sur un mot. Mm. Jeunes. C'est qui les jeunes dont on parle Au Niger aujourd'hui, selon la Banque mondiale, on a à peu près 22 millions de Nigériens. Mm. Plus de la moitié sont des jeunes. Les jeunes dont on parle, d'ici à 2050, on va passer de 22 millions de Nigériens à un peu plus de 90 millions au-delà d'être un problème aujourd'hui, c'est le problème de demain. Donc vraiment, c'est très important pour que la jeunesse se prenne en main parce que vous êtes les adultes de demain et on ne veut pas avoir un Niger malade. Nous sommes. Nous sommes. <laughs> Je suis encore, c'est vrai, pour quelques années. Nous sommes le Niger de demain et nous ne voulons pas d'un Niger malade. C'est à nous de prendre en main notre santé pour éviter que demain les 90 millions de Nigériens soient des Nigériens malades. Mm. La prévention, c'est le maître mot. On va pas terminer ce forum sans parler de, prévention. Alors, en attendant, Ismaël, on remarque qu'il y a des nouveau-nés ou bien des enfants moins d'un an qui ont des problèmes de reins. Pour les parents, c'est quand même un peu euh, difficile à vivre. Mais est-ce que c'est des choses qu'on peut prévenir oui, c'est des choses qu'on peut prévenir parce que si vous voyez un nouveau-né qui a un problème rénal, c'est qu'il y a une malformation qui est là. Hmm. Généralement, c'est des malformations qui sont génétiques. Le problème de notre société ici au Niger, c'est quoi C'est qu'il y a cette, euh, ce problème de consanguinité. C'est-à-dire Je me marie à ma cousine ou à la cousine de quelqu'un de la famille. Souvent même, tu vas voir peut-être même du genre, il part marier la, la fille à la soeur de son homme. Bon, c'est compliqué. Et c'est des facteurs de risque qui permettent, qui sont favorables au développement de malformations au cours de la grossesse. Et aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que la femme vient en consultation prénatale au, 9e, au 8e, 9e mois. Normalement, ça ne se fait pas. Pour, pour, pour être suivi, il faut venir très tôt. Déjà au premier trimestre. Dans certains pays, c'est au premier trimestre. Tu dois être en consultation prénatale, tu dois faire ton échographie, pour qu'on sache est-ce que ce fœtus il est viable, est-ce qu'il n'y a pas de malformation, et c'est avec ça on saura comment est-ce que cette grossesse va évoluer. Hmm. Mais généralement, on est confronté à ce problème. La personne, elle attend, c'est quand peut-être même souvent à 9 mois, elle vient et dit que moi, je suis à la mon moi, je vais bientôt accoucher. Donc, euh, c'est bien normal qu'on se retrouve dans ces genres de situations où a des malformations et on, peut, on se dit que non, le ciel nous tombe dessus. Non, le ciel ne nous tombe pas dessus, mais... C'est qu'on n'a pas vu le ciel venir. Voilà. Mm, malheureusement. Madame, ah vous voulez acheter quelque chose Je veux vraiment rebondir sur l'aspect euh, grossesse. Mm. Parce que c'est une expérience que j'ai vécue personnellement, que des membres de ma famille ont vécu et j'ai vu ça autour de moi quand on est enceinte, on a malheureusement au Niger, on a tendance à voir que les femmes vont en consultation peut-être une fois par trimestre, n'est-ce pas mais docteur a parlé du, diabète gestationnel qui touche les femmes enceintes. Il faut savoir que si le diabète gestationnel n'est pas détecté au moment où la personne est enceinte, c'est quelque chose qui aura des répercussions et sur le bébé et sur la maman plus tard. Un diabète gestationnel qui n'est pas pris en charge peut déboucher à terme pour la maman sur un vrai diabète, hmm. pas seulement sur la période de la grossesse. Et pareil, hypertension, l'hypertension vers la fin de la grossesse, c'est quelque chose qui est très enfin malheureusement de plus en plus courant qu'on observe, qui a des conséquences dramatiques qui peuvent euh, se terminer par malheureusement la mort du bébé ou la mort de la maman. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut attirer l'attention des femmes enceintes. Il faut aussi attirer l'attention sur euh, des maris par contre sur justement parce que quand on parle d'hypertension je, me dis que le mari il a, il a il a une responsabilité il a la responsabilité déjà de payer les examens parce hmm. que moi j'ai assisté à ça quand je faisais une de mes consultations il y a des femmes qui doivent carrément supplier leur mari pour faire tel ou tel examen c'est criminel c'est vraiment criminel. Donner aux femmes l'opportunité de voir des médecins, donner leur l'opportunité de faire ces examens-là. De, de voir très tôt les médecins et de faire le dépistage mhm. et de faire le dépistage pour qu'on sache très tôt est-ce que je suis à risque par exemple, quand je fais du diabète, et vraiment les femmes enceintes, vous aussi n'exagérez pas. Mm. Les gens sont là, non, elle est enceinte, elle a des envies, pardon. Ce sont des envies qu'il faut savoir contrôler. <laughs> Boire trois coca parce qu'on est enceinte, <laughs> pitié, c'est pas des attitudes, ça. <laughs> comme on dit, comme les Ivoiriens disent, toi-même faut voir. même faut hein. pardon, voir. voilà. Merci beaucoup à vous. Chers invités, nous ne pouvons pas terminer ce débat sans passer par la question essentielle en matière de santé qui concerne tout le monde, bah, qu'on soit jeune ou pas. La prévention, là, on a touché plusieurs, euh, plusieurs couches. Docteur, quand on prend peut-être au cas par cas, comment prévenir le diabète Donc, euh, pour prévenir, comme on l'a dit, c'est des maladies qui sont toutes liées. Quand on prend le diabète, on prend l'hypertension, on prend l'insuffisance rénale l'insuffisance rénale est l'une des complications aussi du diabète, l'une des complications aussi de, de, de l'hypertension artérielle. Donc, euh, pour prévenir ces maladies, c'est d'abord l'alimentation. Avoir une alimentation saine, manger peu salé, manger diversifié, manger diversifié, qui parle de diversification, parle de légumes, qui parle de légumes. Éviter aussi de trop. Et on a un souci au Niger, c'est qu'on mange beaucoup de viande. Ah la viande rouge de trop. On est un grand pays producteur. Donc, qui vit à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel. donc, euh, il faut éviter tout ce qui. Il faut éviter de manger trop de viande parce que la digestion, elle est difficile. Mais aussi, on a un souci, c'est que ces protéines sont encore plus difficiles à, euh, l'organisme de les assimiler. Mm. Et aussi, il faut manger moins gras parce qu'on assiste aujourd'hui, Notre-Dame qui nous vend du Niembe à côté, quand tu pars, elle te met beaucoup d'huile et puis elle t'engraisse correctement et puis voilà. Donc manger moins gras et essayer de manger aussi, de faire des activités sportives régulièrement, prendre une activité même si c'est 30 minutes de marche par, par jour qu'on fait ou si c'est pratiquer un sport particulier, du foot, du, du, foot, du foot, du basket, un truc que vous aimez bien, que vous pratiquerez. Et maintenant, pour euh, le diabète, ce que moi je dirais, c'est de faire un dépistage précoce ou saisonnier, de faire une glycémie fréquemment pour savoir où est-ce qu'on en est. On a oublié un point très important, c'est l'obésité. Hum. Évitons de prendre du poids, de on On l'a pas, l'a pas oublié, madame, madame l'a pas oublié. Elle a effleuré quand elle parlait des apports. On l'a mais on n'a hum. pas vraiment parlé dessus, mais parce hum. que c'est très important de rappeler que le, L'obésité est un gros facteur de risque du diabète. Certes, pour le jeune, le diabète du jeune, ça n'a pas vraiment de lien, mais à l'âge adulte, c'est un facteur de risque du diabète parce que mm. c'est son, et comme on le dit, c'est pas, c'est pas le sucre qui fait le diabète, mais c'est les graisses qui créent le diabète. Merci pour la précision, docteur Ismaël. Alors, je me tourne vers vous, madame Malika. Quel conseil aujourd'hui pour ceux et celles qui nous écoutent pour éviter le maladie des reins le diabète et bien évidemment l'hypertension artérielle. Moi, mon maître mot, c'est vraiment manger sain, manger équilibré et varié et ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas, il faut manger vraiment des aliments les moins transformés possibles. Hein. Quand vous allez prendre, non, je vais boire un Coca-Cola sans sucre, non, ça ne marche pas. Les boissons gazeuses qu'elles soient avec ou sans sucre, restent des boissons gazeuses et c'est vraiment pas bon pour le corps. Par exemple, il faut remplacer ces boissons gazeuses-là par des jus naturels. On en a. À tous les mariages, au lieu de servir des jus en canette, préférons les jus euh, naturels. Ça fait tourner le commerce local. Ça donne du travail à nos mamies, à nos mamans, à nos tatas. Et ça nous permet aussi de préserver notre santé. Faisons du sport, au moins une activité physique par jour, par semaine, 30 minutes, 40 minutes. Avec l'Alliance, on permet à toutes et à tous de participer une fois par mois au stade général Senikunche Et là, je vous donne à toutes et à tous. Et Olivier, je vous attends pour la prochaine séance. Inch'Allah. <laughs> On donne des séances de sport gratuites. Donc, vous pouvez, vous pouvez venir. On est 50, 80, 100. Et vraiment, tous ensemble, on met la musique à fond au stade, là où il y a les drapeaux. Je vous donne rendez-vous. Pendant deux heures de temps, on bouge un maximum. Et l'objectif, c'est vraiment de transpirer, de se dépenser. L'autre chose, c'est le tabac je le répète, la chicha c'est pas cool, la cigarette c'est pas cool. Et on a remarqué que dans les premiers jours qui suivent l'arrêt total du tabac ou de la chicha, on respire mieux, on se sent mieux. Donc préserver sa santé, c'est vraiment arrêter tout ça. Et enfin l'alcool. L'alcool c'est pas cool non plus. Et tout à l'heure on parlait de d'hypertension, le stress. Je peux partager avec vous une astuce. Allez, allez-y. Je vous invite tous. On est là, on est tous ensemble autour de la table. Hmm. Déjà, asseyez-vous bien confortablement au fond de votre chaise. Vous posez votre main sur votre ventre. Ok. Faut le faire. Ok, c'est fait. Et là, vous prenez la plus large inspiration possible. Donc, il faut vraiment inspirer et faire rentrer l'air dans son ventre. Pas dans ses poumons, dans son ventre. Vous bloquez votre respiration quelques secondes. Et là, vous relâchez l'air, mais tout doucement. Vous prenez votre temps et ça fait et ça marche. Ça déstresse. <laughs> Comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. Et cela n'empêche de souhaiter une meilleure santé à ceux et celles qui sont sur les lits d'hôpitaux et qui souffrent d'une maladie. Quant à ceux qui sont bien portants, prenez soin de vous. Nous pouvons retenir au thème de ce forum que, qu'on soit jeune ou pas, la prévention est de mise. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. La technique a été gérée par Amina Hassan. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Bye bye.